Guaycala. Ahí popular. il y a des gens que je voulais voir. les représentants des, candidats sont là Il n'y a pas de représentant des candidats. Ça va Ifudre inşez ha. Dört şez de ya. Ifudre dört şez ha. No no ya dört şez. Bon. أنا أنا أنا أنا إذا سألني Mesdames, Messieurs les journalistes, je vous remercie d'être venus nombreux répondre à l'invitation de la Commission nationale de recensement des votes à l'effet d'assister à l'ouverture de ces travaux. En fait, contrairement à ce que j'entends en applicatif, sur ce que nous, nous allons faire pendant ces, cinq jours qui vont du lundi au vendredi. Je voudrais me féliciter d'abord au nom de la Commission nationale de la bonne tenue de l'organisation de l'élection, surtout de la participation massive euh, qui a vu les Sénégalais aller aux urnes et rentrer tranquillement après avoir exprimé leur euh, leur euh, opinion. Vous dire surtout que nous, nous sommes dans le processus. En tant que Commission nationale de recensement des votes, chargée à titre provisoire de rassembler les votes et de proclamer provisoirement les résultats. Nous le faisons ce travail sur la base des comptes rendus qui nous sont remontés par les délégués de la Cour d'appel qui, qui sont présents sur l'ensemble du territoire national. Nous le faisons également sur la foi des procès-verbaux. Et j'insiste bien sur la foi des procès-verbaux qui nous parviennent des 45 commissions départementales de recensement des votes, lesquelles commissions départementales de recensement des votes travaillent sur les PV des bureaux de vote et sur tout document pertinent annexé à ces PV. La Commission nationale de recensement des votes, qui est composée de trois magistrats, de deux représentants euh, des candidats en lice à raison d'un titulaire et d'un suppléant, sous la supervision de la Sénat, parce que notre commission ne peut rien faire si la Sénat n'est pas présente. Travaille donc sur les 45 PV qui lui, qui, qui lui parviennent des commissions, et elle a pour tradition, dès le lundi comme aujourd'hui, de se rencontrer avec ses membres pour expliquer ses procédures et ses méthodes de travail. C'est à cet exercice que nous avons cru devoir vous associer, parce que même si vous ne pouvez pas, avec vos caméras et vos euh, vos appareils photo, être présents dans, dans nos euh, lieux de travail, vous êtes quand même des témoins privilégiés sur qui nous comptons pour relayer l'information. Les seuls documents sur lesquels nous pouvons avec pertinence travailler doivent nous provenir des 45 départements que couvrent nos commissions départementales de recensement. Ce sont des PV qui sont à la disposition et de nos magistrats et des membres des bureaux de vote, euh, des membres de la commission qui représentent les, candidats en liste. C'est sur ces seuls documents que nous travaillons. Mais je voudrais insister pour vous dire que la Commission nationale a seul le pouvoir de redresser et d'annuler les chiffres qui nous parviennent peuvent être redressés s'il y a des erreurs, peuvent faire l'objet d'annulation s'il y a un motif qui les justifie. La commission départementale, contrairement à nous, ne peut faire que redresser des erreurs euh, s'il y a lieu. Voilà pourquoi je voudrais insister avec vous pour vous dire que le travail de la commission commence aujourd'hui parce qu'à dater de cet instant où je vous parle, nous avons les PV de Saint-Louis, nous avons les PV de Gossas, nous avons les PV de Guédiawaï, nous avons, nous avons les PV de Malem Odar, de Birkilan, de Bambay et de Kungel. Et tout au long de la, de, la soirée, les commissions vont boucler leurs délibérations délibération et vont nous rejoindre avec des procédures. Voilà pourquoi je voudrais vous appeler à ce travail de transparence que les magistrats accomplissent en relation avec les représentants des candidats qui sont en titulaire et en suppléant. Ils, ont un droit de participer, comme nous, au débat, aux discussions, pour trouver, si le consensus est possible, la solution qui Maintenant, s'il n'est pas possible de s'accorder par le consensus, la loi donne le pouvoir aux trois magistrats que nous sommes de trancher et à charge pour les représentants des partis qui trouvent que qu'il y a grief d'annexer leurs observations au procès verbal que nous remettons le vendredi au plus tard à minuit au Conseil constitutionnel. Voilà en gros ce que je voulais vous dire de façon ramassée. Et vous, vous, vous, demandez en même temps que les, les, les, observateurs nationaux et internationaux qui sont accrédités auprès de la Commission de travailler avec nous. Parce que traditionnellement, nous n'ouvrions nos portes à la presse qu'à la fin, au moment de la proclamation. Mais vous êtes des témoins et puisque nous faisons le travail dans la transparence et dans la rigueur qui vous êtes par vos représentants les bienvenus autant que possible. Voilà la déclaration que la Commission, par ma voix, voudrait souscrire en vous remerciant de votre présence nombreuse et avisée. Voilà. Oui. waouh Je vous remercie fii ci commission nationale de recensement des votes dafa doon aada lu ñuy def ñu koy def ak presse bi loolu moo tax dañ daan def xaar bay tëj soog a woo presse bi mais tey dañoo xam ni presse bi témoin la boo xam ni ñun ah ci lañ mën a sukkandiku pour ñëpp jot ci li ñuy liggéey loolu moo tax ñu jëkk a commencé pour woo leen normalement dama waroon a am membre yëpp pour présenter leen ko mais am na ñuy ñëw am na ñoo xam ne nii ñu ngi ci yoon bi ak commission bi ni mu tëddee mooy ñetti magistrat yi ku seq ñaari représentant pour benn titulaire ak benn suppléant pour candidat bu nekk am na observateur yi ngeen dégg yëpp dañuy toog suñu suñu wet am na aussi observateur nationaux yi ñu ngi fi am na itam Sénat parce que ñun mënuñoo liggéey dara mu mu baax te Sénat toogul loolu moom moo dañ moo moo tax ñu bëgg leen ko leeral bëggoon nañu leeral leen itam amul procès verbal boo xam ni PV euh, dina ñëw ci suñu kanam te jógewul ci commission euh, départementale de recensement des votes commission départementale de recensement des votes 45 départements yi bu ci nekk am na fa ñooñu rek ñoonu mën a jox seen procès verbal ci li ñu Le procès verbal boobu ña leen ña toogal candidat yi am nañ ko Sénat am na ko ci lañuy ñuy liggéey ba gis euh, juboo ci bu ñu ci juboowul magistrat yi ñoom ñooy tranché li nga xam ni moom moo ñu féewale ki nga xam ni d'accordu ci dina bind ay observation te yoon daf ñu sas ñu jël observation yooyu boole ko suñu procès verbal yóbbu ko ci conseil constitutionnel loolu mooy liggéey bi ni mën a demee mënul a jóge feneen lu dul ci ñooñu te ñun ñi nekk ci commission euh, nationale de recensement ñun rek la yoon redresser maanaam bu erreur annuler donc amul benn baat bu mën a fenn bu dul ci ñun élection conseil constitutionnel Nous laa nous woon partager ak et di leen qualité ak euh, teewaay bu takku di leen commission bi ubbi buntam pour témoigner di

donc savoir quelle est la réaction de la concernant commission le fait que le parti au pouvoir revendique la victoire alors que l'opposition conteste. La proclamation des résultats interviendra jeudi ou vendredi au plus tard et vous saurez. Parce que c'est sur la base du processus que j'ai décrit que nous aurons à mais est-ce que vous dénoncez cette attitude des du parti Personne n'a le, droit, personne n'a le droit de, proclamer des résultats provisoires, sauf la Commission nationale et définitivement le Conseil constitutionnel. Vous condamnez dans l'attitude du je ne condamne pas, Je ne condamne pas. Ils sont dans leur rôle. Moi, je suis dans le mien. Ils sont dans leur rôle, c'est des politiques. Moi, je suis un juge chargé de compiler les, les, élections, euh, les résultats et de proclamer des résultats. Tout le monde est dans ce rôle. Je ne condamne pas. La Sénat a déjà condamné. C'est ça le, rôle de la Sénat. Est-ce qu'il y aura des résultats provisoires, euh, monsieur Jeudi ou vendredi ou plus tard. Merci beaucoup. waaw yéen une certaine seetaan de TV Le moo doon déclaration la commission nationale de recensement des votes de def kon dégg un résultat définitif Euh, dis dana disponible jeudi ou vendredi jërë ngeen jëf ba beneen yoon incha allah.